chers euh, auditeurs et téléspectateurs des programmes euh, du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse euh, de ce vendredi 6 janvier 2022, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des points saillants et marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les différents points de l'actualité qui seront au cœur de nos analyses sont les cas de foyers de grippe aviaire déclarés dans plusieurs villages du département de Bouza, région de Tawa et dans certains quartiers de la région de Niamey en fin d'année 2022 et les mesures prises pour mettre les populations à l'abri de la maladie. La visite de travail et de proximité effectuée par le président de la République, Mohamed Bazoum, dans la région de Zander du 28 au 30 novembre 2022 et nous terminerons avec euh, du sport et ce sera pour parler de la fin de la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle organisée dans la région de Difa et qui a pris fin le dimanche 1er janvier 2023 pour analyser ces différents points de l'actualité, nous avons le plaisir de recevoir nos invités Maïmoune Gado, journaliste indépendante Elhaji Suleiman Mohamedou, journaliste euh, au journal Niger Inter, et Abakari Arimi, journaliste euh, à la radio alternative de Niamey. À la modération du forum de la presse euh, de ce soir, je suis Michel Degé. commençons par notre premier sujet. Au Niger, des foyers de grippe aviaire ont été déclarés dans plusieurs villages du département de Bouza, c'est dans la région de Tawa mais également dans certains quartiers de Niamey en fin d'année 2022. C'était suite à des mortalités observées sur des volailles commandées par une ONG dans le cadre d'une assistance aux ménages vulnérables de certaines localités du département de Bouza que l'alerte avait été donnée à la mi-décembre. Toute la livraison composée de 4920 sujets a été décimé après que le laboratoire central de l'élevage de Niamey ait confirmé le 19 euh, décembre 2022 la présence du virus dans les prélèvements qui lui ont été envoyés de Bouza, a expliqué mardi le directeur général du service euh, vétérinaire du ministère euh, en charge de l'élevage, Abdou Issakou. Selon cette même source, à Niamey, un foyer d'un millier de sujets a également été confirmé le 19 euh, décembre à Goudel et un autre de 1400 à Basora le 25 euh, décembre 2022, soit un total de 7320 sujets abattus dans les deux régions touchées, c'est-à-dire euh, Niamey et Tawa. Memundiado que sait-on davantage sur euh, ces différents cas de grippe aviaire confirmés dans les régions de Zandé et Niamey à, part ce que le directeur général euh, a dit dans son, son point de presse concernant bien sûr les cas de foyer qui ont été euh, identifiés à Niamey et Tawa, je pense que c'est une habitude aussi, puisque chaque année, si je me rappelle très bien, en cette période de froid, il y a euh, déjà euh, l'alerte qui est donnée mhm. et des foyers qui sont euh, identifiés. Mhm. Donc c'est c'est c'est pas nouvelle en tout cas. Mhm. la maladie elle n'est pas nouvelle. La maladie les gens connaissent déjà la maladie et les prévisions ou les préventions qu'il faille prendre pour pouvoir éviter donc euh, ces cas de foyer. Maintenant, la prévention est là, c'est que euh, il y a eu un arrêté euh, qui interdit donc la vente et la commercialisation euh, de la volaille jusqu'à une période bien déterminée. Surtout les mouvements des volailles voilà. au niveau des deux régions. Des deux régions, à savoir oui, et puis euh, mhm. euh, Niamey, pour ne pas pouvoir contaminer d'autres régions. Mhm. Donc je pense que là, c'est l'essentiel, c'est que les Nigériens doivent s'y conformer, mhm. doivent suivre en tout cas les, les, les conseils euh, de ces vétérinaires, euh, du ministère surtout de l'élevage, mm. parce que ça émane du ministère de l'élevage. Et je pense qu'avec avec euh, plus de tapage, plus mm. de sensibilisation à l'endroit de cette population, on pourra peut-être prévenir d'autres régions, mm. effectivement. Il faut donc prendre en compte les conseils qui ont été donnés. Parmi ces conseils, il y a justement le fait d'éviter de consommer, si possible, euh, la volaille au niveau de des localités, mais surtout, il faut bien cuire. C'est ce parce qu'il y a d'autres mhm. Nigériens qui ne croient pas en fait à cette maladie-là. Ils mhm. pensent que c'est comme ce qu'on a l'habitude de voir, hein, parce que qui était plus euh, euh, voilà. En fait, voilà. Donc maintenant, c'est l'habitude. Euh, oui. Pendant la euh, saison. Oui. Au moment, de saison au moment où on empêche à certains de consommer la volaille, il y a d'autres, par exemple, par contre, qui consomment la volaille. Mhm. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut le faire C'est comme tu, viens de le dire à l'instant, c'est de bien cuire la volaille. Bien cuire la volaille à une température à haut degré pour pouvoir consommer. Mhm. Mais le mieux, c'est surtout d'éviter. Puisqu'on mhm. dit d'éviter, il faut éviter. Merci beaucoup. Là, j'ai Souleymane Mohamedou, c'est vrai, il a eu à le dire. Il faut rappeler qu'en février 2022, le Niger a réussi à freiner une autre euh, épidémie de grippe aviaire. Selon le ministère de l'Élevage, dix foyers de grippe aviaire avaient été recensés et détruits à Niamey, Tilaberi et Dosso, avec près de 91 000 volailles touchées durant la semaine euh, du 13 au 15 février 2022 comment expliquer cette euh, résurgence euh, de la grippe aviaire euh, au Niger Bon, comment l'expliquer Je pense que, comme Maman l'a dit, c'est un peu souvent récurrent de temps en temps. le cas le plus sévère, je crois, c'était dans les années 2000, un cas où pratiquement c'est au niveau national qu'on avait décidé mhm détruire en tout cas. À l'époque, les gens n'étaient pas très habitués même. Euh, euh, tout à fait. Vous voyez un peu, vous voyez un peu comme euh, comme l'a dit Mamouna, quand mm-hmm. vous prenez par exemple ce niveau de d'information. quand on vient au village, il faut détruire toute la volaille du village. les gens peuvent dire non, ça c'est une approche euh, un peu occidentale ou bien voyez quoi alors que mhm. c'est une maladie le virus mhm. il est là ça se contamine de, de la volaille à, l'homme mhm. donc pour conséquent il va falloir au niveau donc de respecter les consignes sanitaires mais les services euh, sanitaires continuent justement là comme tu l'as dit le tapage la communication la sensibilisation en tout cas sur, même en tout cas qu'une une sorte de police euh, au niveau donc euh, de, qui puisse vraiment accompagner parce qu'effectivement il peut avoir de des récalcitrants quand il est question de détruire effectivement il faut détruire donc euh, tout cela doit être accompagné justement avec euh, une communication mm. quand je suis vite tôt le matin sur la voie du Sahel le communiqué qui dit à Niamey on ne sort pas et on ne rentre pas avec de, donc c'est strictement interdit. comment mhm. euh, maintenant est-ce que il faut donc se donner le pour que cela puisse être respecté mhm. euh, Parce que bon, vous savez aussi les gens qui, qui font du, business, euh, mhm. Euh, si on y prend garde, c'est que, bon, euh, ils peuvent venir avec leurs euh, leur marchandise. Donc, vous voyez, je pense que c'est ça le plus, important. tant que tant qu'il n'y a pas de, un travail de police, il y a toujours des gens têtus qui vont braver l'interdiction. Donc, par mm. conséquent, il faut être vigilant. Donc, il faut non seulement sensibiliser, mais aussi, véritablement, il faut surveiller ça de très près. Sinon, euh, effectivement, euh, c'est très facile, justement, c'est un virus. Euh, vous voyez, cela veut dire qu'à cette situation, il faut donc qu'on soit très, très vigilant, mhm. qu'on se dise que, bon, la, volaille, ça, ça, se transporte. En tout cas, le, virus, c'est vite fait. On vient de sortir de la situation du, du, du, Covid, les gens on ont vécu plus plusieurs, c'est le confinement. Mhm. Donc ici, il est question tout simplement de, rappeler en tout cas les, les, les bonnes manières, mhm. comment se comporter, justement l'hygiène, absolument l'hygiène. Et vous savez, nous ne sommes pas, on est mal barré en tout cas sur, cette question, en mhm. tout cas parce que simplement... Euh, ce n'est pas évident que les gens puissent respecter les précautions. bref, en tout cas, de mon point de vue, euh, il faut donc euh, intensifier donc la communication au niveau surtout rural les radios communautaires doivent être mis vraiment à, contribution pour vraiment constamment sensibiliser les populations en faisant attention, c'est dangereux. Mhm. Et il faut rappeler que le ministère de l'élevage a indiqué que la situation est sous contrôle avant de démentir les informations faisant cas de la survenue de cette maladie dans la région de Zander. Aboukiari, Arimi, peut-on dire que cette situation est véritablement sous contrôle quand on sait que depuis le 24 décembre 2022 jusqu'au 2 janvier 2023, tous les tests effectués sont négatifs, en tout cas selon les informations que donne euh, le ministère de tutelle. il n'y a pas de raison que ça ne soit pas maîtrisé. Mhm. Euh, il faut capitaliser. Euh, c'est une crise, c'est une épidémie qu'on a déjà connue au Niger. Mhm. je me rappelle d'ailleurs euh, c'est l'unité audiovisuelle de l'alternative qui a organisé, qui a réalisé et diffusé le spot mhm. euh, télévisé euh, commandé par le ministère de la Santé. C'était mhm. un appel d'offres ouvert et c'est nous qui l'avons emporté, je me mhm. rappelle, avec Edouard Arji, on a réalisé et diffusé. Et donc, il faut capitaliser ce que nous avons déjà connu Aujourd'hui, euh, par exemple, la Covid euh, persiste, notamment en Europe et surtout en Chine, n'est-ce pas Mais ce n'est pas pour autant que la panique qu'on a connue il y a deux ans, mmh. n'est-ce pas, n'est plus de mise maintenant. Euh, ce qui fait que même pour cette maladie, c'est la même chose, d'autant plus que même rien que l'année dernière nous avons connu, et il faut vraiment communiquer positivement euh, il faut dire aux gens qu'ils ont la possibilité euh, de consommer de la volaille, mhm. mais voilà les précautions euh, à prendre. aujourd'hui avec l'état tas de radio communautaire que nous avons, avec la télévision et même l'Internet, je pense mhm. qu'il faut juste communiquer pour attirer l'attention des Nigériens que c'est une maladie transmissible de l'animal à l'homme. Mhm. Et ça peut être mortel. donc c'est très grave, même si les Nigériens, beaucoup continuent à croire que c'est euh, une maladie, une épidémie saisonnière euh, mhm. de volailles et que ça va passer. Mhm. Euh, je crois que autant qu'on peut éviter la mort même d'une poule, à plus forte raison d'une personne, c'est à mieux parce que continuer à vraiment détruire des, élevages euh, entiers, tout ça, c'est vraiment pas euh, intéressant pour euh, les éleveurs. Et donc, je pense qu'il y a moyen de résister. Il y a moyen. Dans tous les cas, je crois que tout laisse à croire que les années à venir pour ce euh, d'entre nous à qui le bon Dieu va prêter longue vie, je crois que nous serons obligés de faire avec des mesures d'hygiène de plus en plus strictes, de plus en plus euh, vraiment répétées. Des gestes, comme on l'a appelé du temps de la Covid, les gestes barrières euh, doivent être en fait de mise sur toute la ligne désormais. Euh, parce que euh, on se rend compte que rien que le rhume est transmissible par le par la main, par la respiration, ainsi de suite. Donc vraiment, il faut euh, continuer, même en cas de non maladie avérée, épidémique, tout ça, il faut dire aux gens que c'est essentiel de bien cuire. Heureusement, c'est notre tradition, nous. Euh, le signal le Nigérien, ça ne le connaît pas. Nous tous, on n'aime pas ça, mhm. euh, pour beaucoup de considérations culturelles et tout. Mhm. Et aussi, il faut bien préparer, il faut bien nettoyer les, les, les, les, les contenants, il faut vraiment prendre de, de l'eau, il faut veiller à ce que ça soit propre. Et c'est valable pour cette maladie-là, mais pour beaucoup d'autres maladies. L'essentiel, 80% des maladies euh, transmissibles à l'homme euh, passent par l'eau, par exemple. Et donc, une eau propre, encore qu'il faut qu'on l'ait. Sinon, moi, je pense que vraiment, c'est de cela qu'il s'agit. C'est euh, le monde actuel, c'est devenu comme ça. C'est on manipule des tas de choses que aujourd'hui on n'est pas à mesure sur le champ de maîtriser quoi que ce soit. Et donc vraiment, les mesures barrières doivent être de mise sur toute la ligne. Nos enfants doivent être sensibilisés à ça. Mhm. Sinon, il y a deux heures de temps, j'ai vu quelqu'un se promener bien avec cette pentade qu'il mhm. cherchait à vendre. Hein. Deux heures de temps, tout simplement. Et je ne suis pas sûr que ces pentades sont élevées à Niamey. Mhm. Et donc, euh, euh, les mesures euh, policières, les mesures vraiment, les décisions drastiques, tout ça, on sait qu'on n'a même pas les moyens de les appliquer. Mhm. Euh, donc vraiment sensibilisons essayons d'aller vers la population. que chacun doit voilà, apporter, chacun doit apporter du sien et aller vraiment faire mhm. le pas mhm. vers qui il faut. Il faut vraiment élargir les cibles euh, peut-être que les gens n'ont pas de radio, il faut mhm. donc aller dans les quartiers, il faut euh, aller dans les radios communautaires, il faut mhm. aller dans les villages, il faut faire des affiches. C'est essentiel. Moi, je suis persuadé que jusque-là, les enfants n'en savent pas grand-chose. Mhm. Or, c'est le plus grand vecteur et c'est le plus euh, vulnérable. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a effectué une visite de travail et de proximité dans la région de Zander du 28 au 30 euh, décembre dernier. Le chef de l'État a procédé le 28 décembre à l'inauguration de la nouvelle centrale euh, thermique euh, de Zander d'une puissance de 22 MW. Après cette cérémonie, Mohamed Bazoum s'est rendu dans la zone de défense numéro 3, puis des rencontres séances de travail et meetings ont été organisés notamment à Myria, Tanout, euh, Matame, mais également à Magaria, des sujets et projets d'intérêt national en faveur du mieux-être des populations nigériennes étaient au centre de toutes euh, ces rencontres. Elagie Suleiman Mohamedou, que faut-il retenir euh, en résumé de cette visite de travail et de proximité effectuée par le président de la République du 28 au 30 euh, décembre dernier dans la région de Zander. Euh, oui, euh, à mon humble avis, Michel Deji, rien que l'objet essentiel de cette mission, à savoir donc le lancement de, disons, la centrale, thermique, effectivement, c'est en soi une très bonne chose pour l'économie nigérienne. Mhm parce que le Niger se pose dans une posture d'être, euh, euh, donc, dans les années à venir, exportateur de l'énergie. Mm-hmm. Donc, Zander et les villes de Maradi, euh, la région de Maradi, même je crois, pourraient être aussi, pourraient profiter justement de cette centrale au niveau national, avec tout ce qui est fait, donc on a suivi le ministre de l'énergie, en tout cas, qui voit clairement une euh, montée exponentielle en tout cas de l'énergie. Donc par conséquent, on pourrait espérer même nous, euh, en tout cas, euh, se, se passer donc de, la tutelle du, Nigeria tout ce temps-là, donc même espérer exporter de l'énergie, ce qui est une très, très bonne chose. Mhm. Mais au-delà de cette question d'énergie, il y a aussi que le président a, a, profité pour parler en tout cas de d'autres professeur de, de, de, dans la question de l'éducation de la, de la jeune fille, qui est un aspect important de son programme. Et la question sécuritaire, euh, tu l'as dit, il a fait un conseil de sécurité. Il y a la formation donc des de, de, jeunes. La question donc de l'agriculture également, euh, il montre effectivement qu'il y a des terres euh, vraiment très arables, vraiment très fertiles qu'on pourrait donc utiliser donc euh, en tout cas les, les moyens pour euh, non seulement donc euh, mieux produire, rentabiliser, mais aussi moderniser l'agriculture. il y a l'accès à l'eau potable dans la région des Andes, tout le monde sait, c'est un problème en tout cas eh, même au niveau, je crois, la moyenne euh, de la couverture nationale en matière d'eau potable, c'est 45%. 35% euh, euh, pour la région de... c'est 35% de la région de, mm-hmm. Il dit donc, il promet donc de booster mm-hmm. cette situation. Mm-hmm. Il a également parlé d'un phénomène dans la région, à Kanché, un, peu partout en tout cas, de la mendicité transfrontalière, effectivement, qui est un problème euh, nationale, en tout cas parce que ça tenait l'image du pays. Vous avez vu un peu les actions du gouvernement qui consistent à rapatrier mm. euh, les mendiants. Donc, euh, je pense, euh, là-bas, il a parlé aux populations. Il va falloir justement accompagner cela parce que c'est un vrai challenge. Il y a beaucoup de gens qui, font, vivent de ça, qui fait une économie, en tout cas, où les gens se trouvent leur compte. Donc, par conséquent, pour les amener à changer de fusil, il faut effectivement une alternative. Mhm. Et c'est ça, effectivement, dans cette optique-là qu'il va falloir donc euh, accompagner donc, euh, ces populations pour renoncer. Euh, ce n'est pas facile, justement, on a vu, malgré tout, les gens ont tendance à être récidivistes parce qu'on a conçu des mesures donc coercitives, mais lorsque effectivement les gens ont une mauvaise habitude, ils gagnent leur, parce qu'en en fait, au, au final, ce qu'on a compris, c'est la pauvreté aussi qui, qui est en, fait, euh, en toile de fond, c'est vraiment cela, l'action la, question de pauvreté, mais aussi les mauvaises euh, habitudes, les mauvaises perceptions. Donc, euh, les gens ont goûté à la facilité. Ils partaient à l'époque à Libye, en, Algérie, un peu partout. Mais franchement, le président a, a parlé de, de, ça. Donc, là-bas, sur le terrain, donc il va falloir, donc cette question-là, euh, vous avez vu euh, au, Sénégal, euh, au, Ghana, quand on voit des, des, Nigérians, en tout cas pour l'image du pays, c'est un problème. Donc pratiquement, le, le, président, on pourrait dire que il, a, rappelle un peu l'heure de Kuntier où effectivement le, chef de l'État vient justement on n'est plus en, campagne, mais aussi revenir, en tout cas, parce qu'on a promis aux populations un certain nombre de choses, revenir, en tout cas, voir ce qu'on est en train de faire ou bien ce qu'on va faire. Ça peut rassurer justement les, populations parce qu'il y a beaucoup de préoccupations. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est une très bonne chose qu'il faut encourager. Et il faut donc, euh, euh, maintenant, la campagne passée, il est au trône, donc, euh, la réalité vraiment du pouvoir elle peut revoir euh, ses promesses, peut-être de façon réaliste. Donc, je pense que c'est une très bonne chose de venir vraiment jauger un peu donc, euh, sur le terrain concrètement, voir aussi s'imprégner de la, de, la, de la, situation. Donc, bref, je pense que c'est euh, une très bonne chose qu'il faut, qu'il faut encourager parce que les questions qu'il avait vraiment abordées, c'est des préoccupations vraiment nationales. Mm-hmm. Il a parlé justement de cette migration en lien avec la mendicité. C'est que euh, dans la zone de Cantier notamment, qui a une particularité, après l'hivernage, ce que les gens quittent. Absolument, le chef de l'État a parlé de beaucoup de projets. Il s'agit notamment des projets euh, porteurs. Euh, d'initiatives de contre-saison afin qu'on puisse avoir des cultures irriguées. il a parlé de la relance euh, de la filière riz, il a parlé de 23 villages environ de la commune de Cancé qui seront électrifiés pendant l'année 2023. Est-ce que tout cela permettra de beaucoup plus retenir euh, la population durant toute euh, l'année sur place au niveau des différents ces villages actions, ces Cumulées, effectivement, regardez mhm. lorsque, par exemple, l'énergie est disponible. Mhm. Donc, on aide donc les. les C'est vrai on euh, Véritablement, qu'il y a de, l'eau pour permettre aux gens, en tout cas, de, de cultiver. Donc, la culture de, de contre-saison, ça aussi, vous voyez, ça demande de, mhm. des moyens. Donc, toutes ces actions cumulées peuvent effectivement permettre. Euh, donc, aux populations peut-être de rester sur place. Dans tous les cas, je sais que j'ai vu bien avant la première dame. Euh, euh, donc, ils ont mis un accent particulier mhm. dans la, dans la, zone de, La première donc, dame a visité la zone. Donc, euh, soit en train de faire des mhm. sont conscients effectivement qu'il va falloir accompagner sérieusement la population. Autrement dit, vous ne pouvez pas en fait priver quelqu'un d'une une, une, habitude, comme on dit, c'est une seconde nature. Donc, lorsqu'effectivement, effectivement, pour qu'il puisse renoncer systématiquement, il faut une alternative. je pense que c'est un peu ce que le président voudrait donc euh, faire en concevant donc euh, un certain nombre d'activités, en créant les conditions pour que les gens puissent, euh, puissent rester. Mais c'est un vrai challenge en tout cas qui reste à, relever. Mhm. Peut-on dire que le chef de l'État veut donner de l'espoir à, toutes ces populations visitées, Maimoun Diado ah oui, euh, euh, il faut noter que euh, la visite, c'est déjà l'objectif. Euh, c'était vraiment de rencontrer ces populations-là, de, de, prendre en fait leurs difficultés, les difficultés, leurs préoccupations de l'heure. Et je pense que c'est vraiment euh, un soulagement hein, pour ces populations de savoir que euh, déjà le premier, euh, le chef de mm. l'État en, personne s'est déplacé pour aller s'enquérir de leurs conditions de vie. Mm-hmm. Et je pense que ceci, il arrive quand même à faire tout ce qu'il vient, tout ce qu'il a énuméré et tout ce qu'il a dit devant ces populations ça sera déjà un objectif euh, qui sera atteint. Mm. Euh, il a parlé de beaucoup de choses, tu viens de le dire à l'instant. Il a parlé de la migration, il a parlé de l'électrification, il a parlé de, de l'eau potable, mm-hmm. il a parlé de l'accès à l'eau, il a parlé également de l'éducation de la jeune fille. Donc, ça veut dire qu'il a fait, il a parlé de l'insécurité, il a parlé de la cohésion sociale, il a mm-hmm. parlé également de la formation des jeunes. Ça veut dire que, en fait, il est en train de voir que euh, il faut nécessairement, euh, c'est une manière de d'être en contact direct avec ces populations et, pourquoi pas, parce que s'il l'a fait dans d'autres régions, pourquoi ne pas aller également dans cette région pour pouvoir euh, circonscrire certaines euh, certaines préoccupations. Ça veut dire que mm. déjà il y a d'autres régions qui sont véritablement euh, dans cette situation d'insécurité. Donc, si on peut prévenir cette insécurité au niveau donc de cette région de Zender, pourquoi ne pas le faire Donc, euh, si il peut, parce que c'est lui, en tout cas le chef de l'État, s'il dit qu'il il va mettre les moyens pour que ces populations puissent accéder à l'eau potable, puissent accéder à l'électricité, puissent être euh, avoir de quoi en tout cas retenir ces populations qui vont vers la migration, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire ce qui est, euh, euh, qui est réaliste, hmm. c'est-à-dire ce qu'on peut faire euh, rapidement. Ce qu'on peut faire rapidement doit être fait rapidement. Et ensuite, il ne faut pas poser des actions et ensuite ne pas les suivre pas à pas. Donc c'est surtout le manque de suivi des fois qui fait en sorte que quand on prend des engagements euh, et quand on ne suit, pas ces engagements-là, ces actions-là qui ont été faites, ces réalisations, et, ça revient donc à la case de départ. Donc, mmh. on n'aimerait pas que tout ce qu'il tout ce qu'il a dit, en tout cas comme promesse, tout ce qu'il a pris comme promesse, revienne à la case de départ. On mmh. veut euh, juste que ces promesses soient tenues et que euh, les populations puissent véritablement euh, profiter de euh, ces actions-là. Aboukiari, Arimi, par rapport à tous ces problèmes au niveau de chaque région, on a parlé tout à l'heure de la couverture en eau qui est de 45% pour euh, le Niger et 35% dans la région de Zander. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que le chef de l'État peut faire pour booster et accélérer cette croissance euh, sur tous les plans conformément aux engagements qu'il a pris dans le programme de la Renaissance actuelle Ok. Euh, déjà, hein, ce que je dirais euh, concernant la migration, mm. concernant la zone de cantier, euh, le président de la République, il est dans son rôle. Il a très bien fait d'effectuer le déplacement parce que depuis que ce problème se pose, les gens ont préféré appliquer la politique de l'autruche, mm. c'est-à-dire mettre la tête dans le sable et refuser de voir venir l'incendie <clears throat> Or, les difficultés sont réelles. Nous sommes quand même dans un pays qui va tenir sa table ronde pour le financement de ses projets à l'extérieur. Mm. Euh, autrement dit, nous avons très peu de moyens et on a besoin de l'appui, euh, que ce soit en termes de crédit ou de dons, vraiment de l'extérieur. Donc, il n'est pas étonnant que les ressortissants de ce pays soient ailleurs en train de demander particulièrement la, zone de Kanché, de Kanché Matamai. Mm-hmm. Euh, j'ai tourné dans, une des communes euh, où le maire m'a dit mm-hmm. qu'ils sont à 207 habitants au kilomètre carré. Mm-hmm. Nous sommes dans un pays où la moyenne est à 13 habitants au kilomètre carré. Nous avons des zones où nous sommes à 7 habitants au kilomètre carré. C'est dire la pression sur les ressources naturelles dans cette zones. Mhm. Les euh, terres, n'existent presque pas. Un père de famille, il peut labourer sa terre, euh, son champ en une semaine et le reste de temps, qu'est-ce qu'il va faire mhm. Évidemment que vu nos moyens de culture, euh, un champ que tu as cultivé en une semaine ne peut pas suffire à gérer ta famille mhm. en moyen de cette personne pendant un an. Justement par rapport à tout ça, que peut faire rapidement le chef de l'État L'électricité, je trouve que c'est mhm. essentiel. Mais seulement, je suis un peu inquiet, je suis un peu euh, tiraillé par cette histoire. Je ne comprends peut-être pas. Il y a que nous aurons en 2025, en principe, que l'électricité de Kandaji sera disponible. Mhm, on nous a dit qu'on peut non euh, seulement importer, on peut, on va cesser d'importer, mhm. Donc on va dire merci au Nigeria pour nous avoir aidés pendant une soixantaine d'années, mais aussi qu'on peut même revendre. Mm-hmm. Autrement dit, Zender ou peut-être même Difa, puisque jusqu'à Difa du Nigeria, ça va. Et donc euh, aussi de Niamey ou de Telapéry, ça peut aller à Difa ou à Zender. En même temps, on débloque euh, autant d'argent pour mettre en place un une centrale. De surcroît dans une localité où quand même il y a de l'électricité qui est produite pour le, la raffinerie, n'est-ce pas, mais qui sert aussi ailleurs. Donc vraiment, je ne comprends Bon, en tout cas, je ne comprends mm-hmm. pas. Ou alors, Kandaji ne va plus suffire. D'ailleurs, on nous a déjà un peu chuchoté euh, avec la dernière visite que ça va en tout cas suffire Niamey, Dosso et, et si c'est le cas qu'on nous dise et qu'on a besoin d'investir pour d'autres centrales dans d'autres régions, c'est important de nous le dire. Mhm. Maintenant, l'investissement en, général, l'État, c'est bien le président. Moi, j'aime bien quand il va voir de, lui-même. Mhm. Euh, les conseillers, ça ne suffit pas. Euh, quand les investissements dans les secteurs sociaux de base, mhm. c'est essentiel ça, les bailleurs de fonds ne vont pas te dire d'aller faire. Et malheureusement, c'est ça qui va apporter quelque chose. Le budget de l'eau au Niger, ça tourne autour de, de quoi De 3%, 2%, 2 et quelques pourcents. N'est-ce pas Et ça, ça dure depuis une dizaine d'années. Est-ce que ça peut changer l'accès à l'eau n'est-ce pas Donc le président doit, dans son budget prochain, celui-là il est déjà passé, il faut renforcer tout ça. Euh, euh, l'école, c'est la même chose. voilà, il faut veiller à changer. Mhm. Si cette population-là peut trouver dans son, dans son champ de quoi manger, déjà l'essentiel, 80%, je vous assure, du problème est Régler et le Nigérien n'ira pas tendre la main quelque part. Ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal à tout le monde. Mais on ne peut pas dire on va enfermer les gens. On va... Mais ce n'est pas des solutions, ça. Même, si, même dans la prison, les gens vont dire. Qu'est-ce qu'il faut faire donc euh, rapidement Il faut régler leurs problèmes de survie, mhm. vraiment des problèmes élémentaires. Si on va vraiment faire des cultures irriguées, les amener j'ai vu hein, à Kantchéville, j'ai vu quelqu'un qui a 40 enfants et qui dit qu'aucun de ses enfants ne va parce qu'il a des terres et il arrive à produire. J'ai filmé son champ, j'ai vu. Mhm. Et donc vraiment, c'est des solutions vraiment concrètes. Le chef de l'État est allé le voir et aller voir. Et donc, les solutions qu'il propose là, c'est ça qu'il nous faut. Il ne faut pas écouter des gens, non, des, gens qui sont habitués à la facilité. Personne n'aime la facilité. La, meilleure facilité, c'est quand tu peux suyer et prendre. Et mm. tout le monde en est conscient, à mon avis. Merci beaucoup. Il faut donc euh, des actions concrètes. On va passer à autre chose, à euh, l'AG. Une, précision euh, mhm. par rapport à l'inquiétude de, de mhm. En tout cas, le ministre de l'Énergie, M. Ibrahim Yakouba, à l'occasion d'une interview de Jeune Afrique, il a dit que le, gouvernement du Niger entend investir plus que dans la sécurité, le, parle de 25% du budget national. Cela veut dire que mhm. c'est une politique que le gouvernement a décidée véritablement parce que l'énergie, ça va booster l'économie. Parce que vraiment, la qualité de la vie, lorsqu'il y a de l'énergie, effectivement, euh, on sait effectivement, euh, c'est ça. L'inquiétude, c'est ce que Kandaji sera opérationnel euh, exactement en 2025. C'est ça, en fait, la crainte. ça en tout cas, selon la communication du, en tout cas, peu. les Chinois qui sont, en tout cas, au corps de. Kandaji date déjà de plusieurs décennies. Effectivement, c'est mhm. programmé pour en 2025, euh, quand on a effectivement soit opérationnel. Mm. Donc par conséquent, c'est la conjonction. Même Gorubanda, effectivement, ils ont, ça va donner de l'énergie. Donc par conséquent, la conjonction de ça, c'est ça qui va faire en sorte que le va être, va va tout suffire Merci beaucoup. vous bien compris à Terminons le, forum de la presse. le forum de la presse de ce soir avec euh, euh, du sport. Euh, nous allons parler avec un producteur d'énergie solaire. Ah nous allons terminer avec du sport. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau justement. Il faut signaler que la 43e édition du Sable national de lutte traditionnelle s'est déroulée du 23 décembre au 1er janvier 2023 au stade régional de Difa. C'est Kadri Abdoudi Isaka Isaka de la région de Dosso qui a remporté ce sabre national. Le nouveau roi des arènes était aux prises en finale avec euh, Sabo Abdoulaye de Niamey. En 2015, les deux lutteurs se sont croisés en finale et Isaka Isaka avait remporté son premier sabre. Aboukhari Arimi. Quelle analyse vous suscite euh, cette euh, victoire euh, de Kadri dit Sakai Saka, de la région de Dosso ben, Remporter le sabre national pour la cinquième fois, il fallait le faire. C'est extraordinaire. Désormais, c'est le lutteur le plus titré mhm. après Kantou, mhm. Qui a eu quatre fois. Quatre fois et encore que l'organisation de la lutte était tout autre. Maintenant, je pense que c'est le moment où il faut moderniser notre lutte, créer des clubs. Il ne faut pas que les gens s'en émeuvent quand on dit ça. On peut tout simplement transformer les équipes régionales en clubs. Il faut voir ailleurs, par exemple en football, quand on te dit Montpellier, quand on te dit Paris, quand on te dit euh, Nice, c'est des villes. C'est la même chose, on peut faire ça maintenant, amener des actionnaires, des entrepreneurs, des euh, opérateurs économiques à s'engager autour, faire des, lutteurs, des fonctionnaires, n'est-ce pas, et qui vont lutter pour eux les frais de les entrées, les subventions, eux, ils vont les engranger. Mais même s'ils perdent, le lutteur nul ne doit pas perdre. Et ça doit se passer sur toute l'année, toute la saison sportive. Ça, je pense qu'il faut franchir ce pas. Euh, oui, on peut laisser le sabre national dans son style, dans mais pour que la lutte vraiment change. Ça fait 43 éditions, ça fait 50 ans qu'on pratique cette lutte-là. Il faut que on franchisse une étape. Moi, voilà ce que je vois mhm. pour être euh, rapide. Mhm. Sinon, ça, reste un sport euh, vraiment intéressant. Mais Mundiado, peut-on dire que cette 43e édition du sabre national a été à la hauteur des attentes de tous les Nigériens Oui, bon, ça a été à euh, l'attente la, de, en tout cas, les amateurs de ce sport, qui est la lutte traditionnelle c'est vrai, je n'ai pas l'habitude de suivre la lutte traditionnelle, mais cette année, j'ai quand même euh, jeté un regard, surtout quart de finale, euh, demi-finale et finale, mhm. j'avais déjà pronostiqué ici que, la, euh, en tout cas, que le sabre reviendrait plutôt à Isaka Isaka. Hein. Mhm. Parce que je l'ai vu euh, plusieurs fois. Euh, dans ses, ses, œuvres de combat. J'ai vu qu'il était vraiment au top de son, euh, de sa, oui, de sa forme. Euh, il avait un physique euh, en tout cas, il était vraiment, il était vraiment, vraiment venu euh, pour pouvoir remporter le sabre. Il faut le dire. Et il faut, il faut voir. Ce n'était donc pas une surprise. Ce hein. n'était pas à moi, en tout cas à mon niveau, c'était pas une surprise parce que je le savais déjà. Euh, je dirais que je le savais déjà parce que j'avais déjà pressenti. Mhm. Et, ensuite, c'est qu'il n'y avait pas un gabarit de sa taille, mhm. en fait, pour ceux les lutteurs qui restaient n'était pas vraiment à la hauteur. Mhm. Donc là, euh, je me suis posé aussi la question, mais pourquoi ne pas moderniser Pourquoi mhm. ne pas moderniser la lutte traditionnelle C'est vrai, ceux qui pensent que si on modernise, on va perdre l'aspect de la lutte traditionnelle comme on le faisait d'antan. Mhm. Mais je pense qu'il faut également donner la chance à certains de ces lutteurs aussi de ce euh, d'avoir cette occasion de remporter le sabre. Le sabre, quel qu'en soit, que ça soit Dosso, que ça mm. soit Niamey, c'est vraiment c'est national, c'est tout le Niger, c'est les mm. Nigériens. Nous sommes, en tout cas, c'est une cohésion sociale mm-hmm. et il faut l'adapter ainsi. On n'est pas contre X ou Y, mais on veut tout simplement que cette fois-ci, le sport roi puissent également amener euh, des partenaires, des financiers, pour que tout simplement qu'on voit comme ce que nous sommes en train de voir par ailleurs dans d'autres pays, au Sénégal, en Guinée, comment est-ce que la lutte traditionnelle, leur lutte quand même, euh, ils pratiquent la lutte là-bas. Donc voilà, en fait, ce que je voudrais dire, c'est surtout euh, accompagner aussi le vainqueur ou accompagner les lutteurs qui ont pris la peine, en tout cas, de venir euh, passer un bon moment avec euh, euh, tout le peuple nigérien, montrer en tout cas leur envie de combattre. Donc je pense que ça ne doit pas s'arrêter. Quand vous dites euh, accompagner les lutteurs, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on a l'habitude de voir des lutteurs, euh, en tout cas, qui ont fait la fierté du pays, qui tombent malades. Vous savez, vous savez quand on dit, par exemple, que le lutteur, quand je prends Isaac on dit qu'il a un montant de 15, mhm. de 12 millions. Mais mhm. les 12 millions, mais est-ce que réellement les 12 millions, c'est lui seul qui aura possession de ces 12 millions mhm. Je me dis que non. Donc, à, part, peut-être quand on va diviser, quand on va enlever tout ce qu'il y a à enlever, il va se retrouver peut-être avec quelque chose de 6 millions ou 7 millions. Mhm. Si on enlève ce qu'il faut enlever. Maintenant, il faut lui créer les conditions pour que lui aussi, il puisse en tout cas faire des actions, mhm. euh, ne pas rester les mains, les, bras croisés, mhm. faire des actions, entreprendre, c'est encore mieux parce que je pense que des avec, activités 7 millions, euh, quand tu trouves un accompagnement, tu peux entreprendre. Merci beaucoup, vous avez bien compris. Il faut rappeler qu'ils étaient au tout début 80 lutteurs. Euh, c'était donc 10 euh, lutteurs par région. Et là, j'ai Souleymane Mohamedou pour terminer. Que faut-il souhaiter à la prochaine édition du Sabre national du sport au Niger Ce qu'il faut souhaiter, à toucher du doigt un mhm. problème réel. Regardez par exemple toutes ces sociétés qui font de la publicité à l'occasion de la lutte c'est 12 millions qu'on va donner aux champions. Rien qu'avec la publicité, je pense que si c'est un peu de la vision derrière des choses, on prend de, beaucoup d'argent pour qu'effectivement on donne beaucoup d'argent aux champions. Euh, je trouve que franchement, au regard de l'intérêt national, en tout cas la place que la lutte traditionnelle, derrière même, euh, je pense qu'on a, fait un, effort cette année en donnant 12 millions au lieu de 10 millions. Mhm. Mais j'avoue, quand vous regardez par rapport aux enjeux, franchement, là aussi, il faut donner aux lutteurs une enveloppe consistante, est maintenant au niveau des organisateurs, en tout cas, de se dire que ceux qui ont la publicité à travers télé et autres, en tout cas, il faut prendre beaucoup d'argent et par conséquent, le champion doit avoir une, grosse enveloppe. Donc, par conséquent, aussi, il y a des bonnes pratiques. Le Sénégal, aujourd'hui, ils ont fait des, écuries. Les, lutteurs, en tout cas, tout le temps, ils, vivent de leur, de leur art, de, leur, de, leur, de ce sport-là. Donc, par conséquent, et il va falloir véritablement, si on, chaque fois on se gonfle la poitrine, qu'en tout cas, sur le sport roi chez nous, mm. il va falloir qu'il soit vraiment roi sur toute la ligne. Donc, euh, je considère qu'en tout cas, Isaac, Isaac euh, je vu franchement, les gens ont tendance, à ne pas. J'aime bien, en tout cas, tout simplement arrêter. C'est une compétition nationale. Cinq ans durant, il a, <laughs> il a règlement. Et franchement, euh, l'autre élément, en dehors des aspects mystiques, il est technique, il est, il est fort. Mm-hmm. Par conséquent, euh, je pense que c'est ça le, mhm. truc. Euh, il y a du mérite on, euh, Absolument. Et l'autre élément aussi de fierté, il est aussi champion au niveau de la CDAO, je crois. en tout cas, mhm. ça c'est le Niger. donc, il faut tout simplement dire que, de comme lui, il a osé aller, en tout cas, au-delà de, le roi aujourd'hui. Il a battu le record de, de, de et ce n'est pas fini. Mais je pense que ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Et c'est là justement, je suis d'accord avec Mamona. Il va falloir faire des Isaac, Isaac maintenant un modèle, donner lui suffisamment de moyens qu'il arrête peut-être de compétir euh, vraiment ce soit maintenant quelqu'un qu'on montre, en tout cas c'est un lutteur qui a réussi. Voilà, voilà. Mm. Merci beaucoup et nous sommes au terme du forum de la presse euh, de ce vendredi 6 janvier 2023. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Maïmoune Gado, journaliste euh, indépendante, euh, Elage Souleymane Mohamedou, journaliste au journal Niger Inter et Abbakiari Arimi, journaliste à la radio alternative de Niamey. Merci, chers confrères, d'avoir participé à ce forum de la presse à la modération. Je suis Michel Deji. L'équipe euh, technique euh, est composée de Amina Hassan et Issa Loli. Agréable soirée à toutes et à tous et au revoir.